mbokki Sénégal man Ahmadou Diop seen fidel chroniqueur hebdomadaire ak seen serviteur moo leen di nuyu ci sunu waxtaan wi nu tuddee xew-xew réew mi ma leen koy defal bu soobee yàlla bu ma fi yàlla bàyyee bu leen à partir de 17 h GMT heure de Dakar soit 19 h heure de Paris xam ko à travers les ondes de notre radio sunu FM la première radio panafricaine que de Californie muy sunu rajo exceptionnel bu mag bi de renommée internationale kon xam ngeen ne tey talata 19 novembre 2019 sunu waxtaan wi nu tuddee xew-xewi réew mi am na solo baadolo bii daal moo fi nekk di bànneexu lu mu wax génn ca Niko yilif lay indi ci sunu réew mi à notre place kooku xam ngeen ne workat la nar le peuple sénégalais Madame day occulter troisième mandat

du nègre de service Moui Macky Sall la xam ne kii traître Moui mag la le fourbe Machiavel ndax daf koy def pour mu mën a laver à grande eau pour la une fois ces mensonges cataclysmiques si grossiers muy kinga nga xam ne muy Macky Sall incarné le label bëgg occulter son troisième mandat totalement illégal moralement politiquement cliniquement et juridiquement Il euh, un braqueur monstrueux menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon dans l'âme dont les casseroles sont plus bruyante que les coups de tonnerre évidemment les filles ne rek pas fi filles. dëkk une justice soumise et aux ordres s'écarte dangereusement de son chemin la a laa ñi ñi tëj ñenn la ñi tuumal ñenn la nous, nga xam ne ay justicier lañu nous lu le jouet Nous hamne, aux attaches de Macky Sall c'est un profanateur voilà la réalité te loolu en Afrique les médiocres de service de référence font l'histoire à la, à la place des bons minoritaires Créez-moi fi décret présidentialiste Macky Sall ci ay décret ci la goudi ak beccak mu ko le foutoir mo ci mopam mu dafa nek une cour de répression de l'enrichissement illicite bu ndiaxanaay lolu ay katch yu mag la ndax ci une cour martiale unique au monde digne de la Stasi conflit d'intérêt, totalement illégal juridiquement, moralement, cliniquement et politiquement. Une arme politique de guerre confiscatoire à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience. Sous Sénégal, Guy, constitution moribonde importée étrange, un gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, il y a lieu de parler d'un cafarnum ou un amas de cafards et de vers de terre tribaliste qui ko le caïd multirécidiviste putschiste clanique né l'homme de la surcharge pondorale dit l'entonnoir colonial ou le caniche de l'Occident né de Kobandoum, de la débauche et de la démesure, dont l'immoralité n'échappe plus au commun des mortels par sa lâcheté innée inégalé inégalable nga xamné da nek di indi ses propres lois uniques indignes et cyniques ndax mom ci boppam dañ ko wara appliquer la même fatwa la même loi ndax buñ ko ko appliquer te war nañ tout de suite sans attendre une seule minute de plus il s'éterniserait en prison Nous jox des circonstances aggravées ndax des bénéficier immanquablement d'une peine incompressible de 30 ans ou plus pour multu crimes financiers et économiques et perte de ses droits civiques supposés. Sa place ne au palais mais à Rebeuss c'est un guignol son Guantanamo bi mu tabax dekkal ko yaatal ko dañ ko ci war a dugal ndax ci loolu la nekk nekkut ci leneen waaye nag comme d'habitude bala ñu tàmbali suñu waxtaan wi yéen waa Sénégal ak sénégalais ak sénégalais yi nekk ca biir réew ma ak sénégalais ak yi nekk ci bitim réew ñu leen di tuddee les sénégalais de l'extérieur maanaam les expatriés sunu jàmbaar yu mag yi ñoo ngi leen di nuyooti di leen sant di leen nuyu te di leen gërëm te di leen sargal ci déglu bi ngeen nuy déglu bàyyi seen yite yépp kon gàcca ngalama yeen waa Sénégal amu leen moroom nuyooti aussi tous nos auditeurs ak suñu auditrice gor ak jigen mak ak ndaw wuñu kenn ndax ñoo ngi leen di remercier aussi ci seeni commentaire yu rafet kon gàcce ngalama kenn mun ngeen des ñoo ngi remercier aussi le meilleur sentinelles ci Sénégal nga xam gor yi te yu mbokk ci

très audible toute la semaine Gorille de c'est une question de fibre patriotique et de pédagogie Nous mettre en lumière les mystifications du label de menteur professionnel profanateur mécréant franc-maçon Fatena les raisons pour lesquelles il a été élu en 2012 dans des circonstances exceptionnelles, inédites. Koko dit ci ak ndax wax président de la république secrétaire général am voyez, mu ne day wàññi de 7 à 5 ans vous qui, dara 2016 référendum mu addu kalpe foqar ci mu tollonti ci législative cataclysmique des submersions mu tollonti ko loolu doyut mu gën a tee addu kalpe ci cirque électro présidentialiste faralaate këf nangu ci loolu la nekk les le minable kleptocrate des horloges agitateur traître teigne en place n'a aucun mérite aucun scrupule ni la moindre lueur peu ou prou d'humilité couvrir c'est un accident de l'histoire Macky est plus dangereux qu'une enzyme Waye nak, toute sa politique qui qui ko été mu koy jàllale par ces justiciers talli yo yoo xam ne nek, ces armes de guerre confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience ndax gor yi ci lolo buñu défé defee seen waxtaan wi ñu l'info autrement samedi mu nek dañu indi beneen waxtaan ñu tuddee ko en toute objectivité loolu doy dimanche bu nekk ci loolu lañu ñu nekk ñu indi beneen waxtaan ñu tuddee ko la voix des jeunes maanaam baatu ndaw ñi ak yoonu ndaw ñi ñu ci def seeni réflexion prodigieuse yoo xam ne dafa am njariñ ñu ci def des analyses pertinentes ñu koy prodiguer bopp sénégalais yi à travers les ondes de notre radio sunu FM la première radio panafricaine est à Californie que Los Angeles muy sunu radio exceptionnelle, bu mag de renommée internationale. Voyez, ñun ñi nga xam conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa réew jëriñ sa réew li nga xam ne daal moo yutel te doon ko wàcc ndax ndox du bàyyi yoonam li nu bëgg daal mooy ñu tabaxaat suñu dëkk bi ñu dele soit fi un état régalien bu sulvissé contre pouvoir am fi nit ñi yore seeni xalima bu ñu gisee lu ñaaw loo xam ne nekkul dëgg ñu bind ko loolu mooy dëgg li nu bëgg mooy suñ réew mi yilif boppam moom boppam lu muy def mu def ko ci coobaray boppam kenn du ko digtal dara ci li muy war war a def ak lumu mu war ta def pays yi am fayda ci loolu la ñu nekk sans la liberté kenn mënut a tabax dara lu jag waaye cuune bii nga xam ne dafa mas a nekk l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique et accrédité à Dakar ci loolu la mas nekk nekkut ci leneen 2012 ba tey république des scandales et des froupilles une dictature qui tourne à plein régime intégralement négationniste d'apartheid qui s'accommode en permanence Vous savez, il day ñu des contrefeux nga Vous savez, day occulter ces parjures cataclysmiques te c'est ñun ñi nga CPC de la démocratie te loolu non koy xex yorunu pàkka yorunu gobar Macky lu ko jaral nan ko jaral sunu Sénégal gi lunu Sénégal, nous sommes wax dafa massa nek un grand pays historique au point de vue du savoir pluriel et de la morale éternelle en puissance waye la survie bi nga xam mo fi day occulter la dépendance dynamique ak son troisième mandat nga avons dafa bëgg daganal muy indi ñi ko ñu bëgg ñu yilif bëgg lëndëmal suñu xele yi ñu daganal ndëng tek Macky Sall Macky bëgg fe indi fitna ci affaire terrorisme ci la dëkk guddi ak bëccëg ci 2012 biñ ko matu du wër ci lool la nekk xam ngeen ni ki ab say say la ndax suñu Sénégal gi terrorisme amu fi sous le Sénégal gi amul matériel ce n'est pas un état expansionniste nga a ne défendre la géopolitique à ses propres intérêts le Sénégal gi a la puissance de feu pétrole am na fi waaye du jariñ dara ñi mu ko jox ñoo koy tagg di ko làkk duñ troisième mandat bu qui est totalement illégal kon est le champion de la rupture aléatoire et de la corruption massive, tout azimut, mon est le chantre du népotisme et du négationnisme et de la pagaille. Une certaine presse servile qui s'est déchaînée hier pour un oui, pour un non, de façon péremptoire, abusive même. nous avons déchaîné sur l'ancien régime qui en avait pour son grade Nous avons traité de tous les anathèmes du monde, de tous les péchés. Curieusement, la même affluence nauséabonde, répugnante, change curieusement sa peau, mais garde sa nature, crypte le discours indigne du nègre de service Bohamne xam briser les consciences abîmées la même servilité dañuy changer de de tonalité et de sémantique et parle grossièrement de gros morceaux péchés. Cette platitude-là incarnée par une presse, certaines presses de Sarabande, nous avons participé à la corruption, de corruption crime C'est waaye seen yoon nekku ci ndax dañoo goree di évidemment Macky Sall mi nga xam ne ci la dëkk ak bëccëg bés bu yàlla sàkk day def l'apologie du nazisme monétaire nga xamné que day jox ay gage 5 maîtres ndax ci la dëkk guddi ak ndax ci Sénégal nga xamné ci lool la Macky di défendre l'ingérence monétaire coloniale par son manque de patriotisme ndax amut fiscalisme te amut panafricanisme te amut civisme évidemment Macky wax la monnaie coloniale est bonne à garder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 par une seule famille paresseuse avec son clan Macky jox leen ndomboy tànk yu dans toutes les euh, euh, structures de l'État de haut niveau xam Koku dans mbirum corporatisme ethnique sans éthique ni équité mu jox tant ndomboy tànk yu dans toutes les structures de l'État personnalisées jusqu'à la lit comme si les compétences et les expériences bidonnées des CV de Ramassi se mesurent scandaleusement à l'aune des mêmes patronymes particuliers, visibles, bien sonnants. moi, la conviction surannée, surréaliste du négationniste Macky Sall qui foule du pied la sac les affaires de la cité. Vous le traître en chair et en os qui le prouve matériellement maintes fois sur le terrain du crime mu par sa petitesse d'esprit bo xamné la médiocratie et les postes octroyés se conçoivent exclusivement à l'aune du bazar, au nom de la consanguinité ethnique et à la proximité de l'idolâtrie représentée par le binôme des mystifications ethniques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 il faut que nous changions le Sénégal radicalement dans le sens des progrès exponentiels ensemble tout est possible toutes les ressources humaines mi ngi fi experts de haut niveau yi ngi fi bu ba nga patriotes ëpp Sénégal une minorité de la sarabande cartélisée, est beaucoup plus structuré que l'ensemble des Sénégalais accroupis. lolou motax su réumi tardé. Waye ñun ñi nga xamné ñoo nek ci CPC bokku nañ ci porte drapeau étendard yi nga xamné dañoo bëgg tek sun rewmi mi ci loxoy jup mu top ci tank yi nga la grande nation émergente yi notre radio Sunu Cœur FM, la première radio panafricaine nek Californie Los Angeles su vous nekkutoon àdduna tukki toute critique minime lu néo ko son auteur mu teg ko ci deug mu woné des preuves matérielles à l'appui koku dañ koy un mandat de dépôt presto unique sur ndigalu le tyran encombrant nga xamné koku est passible de prison ferme les politiques paresseux mercenaires alimentaires, tous alignés, se transforment en sarabande de vers de terre. Baveux, les donnent. les symboles maléfiques des traîtres, baveux, unifiés dans l'âme, boivent sans répit le calice jusqu'à la du haut de leur rang. ndax dañuy dund ci en toute impunité Nous ne tarissent pas loges à l'égard des fascistes en place encombrant lequel, paraît-il, n'avoir pas de défaut, mais rien que des qualités. Vous savez, ne loolu yu mag la nga xam ses propres intérêts mal placés mu classé ko à ceux de ses parents. nga xam soutenu soutenons euh, euh, dans le secret de Dieu et de façon souterraine au nom de la soi-disant stratégie géopolitique internationale ndax fi mu

ndax mas Macky Sall mësta nekk kilifa ndax mësta yaakaar ne ci aduna dana massa nek président de la république waye nekout président de la république c'est un chef de clan qui le prouve manifestement sur le terrain du crime ndax dafa massa nek un indigne chef de bande d'un parti politique cliniquement clanique te wane ko ci suñu digg penc mi suñu digg dëkk bi muy le pion Machiavel le label du foutoir en chair et en os nga depuis 2012 nous avons sur peindre sous les deux fronts victimaires de leur Nous avons les dirigeants les plus influents la la même presse de référence mondialiste de l'arbitraire et de la tyrannie nous avons la musique peu glorieuse de Macky Sall Nous la traité en chair à quel prix et à quelle fin nous avons en jointure avec le vacarme hystérique de la servilité endogène en place aujourd'hui plus que jamais le larbin continue de jouer sur le piano américano-français un homme qui écoute nos attentes pressantes nga xamné social sociale yitéluko maki indi des sujets de diversion muy cliver rewmi nga xamné ne ñu diko waxal li def ndax il passe tout son temps à restreindre drastiquement la liberté d'expression ndax acheter les consciences abîmées présumé notable de l'heure voyez, ils day commandé du matériel de répression Vous savez, ne ont ñi ko yilif duñ ko critiquer te loolu xel mën na nous nangu ñun wax dëgg ndax les populations siphonnées nga xam ne dund bi seer ñu leen di astiquer ñu leen di considérer comme un matelas financier extensible ñu leen di cribler d'impôts et de taxes de toutes sortes ñoy fay bor bi yat wi leen duma ñokoy fay te loolu mo am ci Afrique te loolu mo am ci Sénégal waye ñun ñi nga xamne ño nek ci conscience patriotique pour le changement xam sa rew bëgg sa rew jëriñ sa rew dañoo considérer ne suñu Sénégal gi il faut que ñu tek ko dans la bonne direction ñu def ko en action matérielle bo xamne suñu Sénégal gi wara nek le maître de son propre destin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 son radio bu mag bi mësta nekk ci les chantiers battus ndax son radio bu mag bi day proposer toujours du neuf ndax day briser les tabous de day bousculer les idées reçues te day innover ndax son radio bu mag bi populariser la démocratie te mësta ci les conventions ubiesques de l'établissement ndax son radio bu mag bi bu mu yalla sak day inscrire dans sa trajectoire révolutionnaire qui évolue dans le bon sens des valeurs et des progrès immenses, exponentiels, salutaires et indispensables, pour que nous soyons capables d'assurer le destin de notre pays sur des bases voulues en toute logique, en toute indépendance et en toute conscience. Qu'on le voie ou non, n'en déplaise aux turiféraires de la pestilentielle pourrie, mouille la République des fruits notre média est devenu plus que jamais un phénomène de société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 la maison de la presse la RTS la radio, télévision Racine Tala et Macky Sall te soleil tous les médias privés et publics tous au peine fin tous arrimés et deviennent de facto des instruments alimentaires politiques soumis aux ordres monopolisés par le pouvoir calamiteux torsionnaire, usurier nga des dañuy xam noppi ndax dañoo manqué patriotisme te amuñu fiscalisme te amuñu civisme waaye nag sun rajo bu mag bi mooy mottali seen i ndëngte ndax sun rajo bu mag bi bu su yàlla sàkk day def des innovations multiples te gis nañ ko tant par la qualité des informations qui sont largement publiées à travers notre site sunuker.com que par les analyses pertinentes des sentinelles sénégalaises yi nga xam ne nous wax à travers les ondes de notre radio suñu FM l'avant-garde du civisme et du patriotisme De en toute humilité ndax loolu dafa une exclusivité de notre site sunuker.com la première radio panafricaine de renommée internationale que chez Los Angeles chez Californie vous ne trouvez nulle part ailleurs de telles informations capitales utiles les plus importantes si diverses et variées par la qualité surtout celle qui celle qui relève incontestablement de la géopolitique qui contraste avec la platitude manifeste de la servilité en place nga xamné dañ fait di daganal le bilan chaotique du négationnisme ethnique révisionniste et dont l'immoralité maraudante sans égal exceptionnelle et substantielle à son taux d'ADN. Évidemment, il n'y a rien d'étonnant de la part d'un professionnel menteur, profanateur, mécréant, franc-maçon qui ment plus qu'il ne respire ndax ci loolu la nekk guddi ak bëccëg kon sunu Sénégal gi mënta génn ci le pénombre le infernal auquel badolo bi teg nu ko depuis juróom-ñaari at te ëpp na il faut que ñu régler le compte du traître en chair et en os et tout de suite elle elle elle la bande de ses pouilles-pouilles aligné bu ñu ko defut suñu dëkk bi day gën a dellu ginnaaw golo di bay babu du dunde waaye nag su rajo bu mag un panel d'intellectuels d'hommes et de femmes ñoom ñëpp dañoo nekk de gros calibre doués et en matière grise s'expriment en toute logique en toute conscience en toute cause et en toute euh, connaissance de cause nga xam ne bés bu yàlla sàkk dañuy démontrer magistralement ses capacités intellectuelles. ndax ñoom ñëpp dañoo nekk des têtes bien pleines ndax dañuy décortiquer de décrypter l'actualité nationale et internationale et qui font part de leur expertise sur les produits toxiques chimiques, notamment les faits divers scientifiques, sanitaires, sociaux, religieux, politiques, sans oublier les incivilités patentes dont sont coupables les politiciens véreux qui ont manifestement failli à leur mission régalienne. ndax oublié la boîte de Pantor, nous y que la sac à certains citoyens égarés par leur manque de conscience qui se soulagent publiquement aux abords des bâtiments. te c'est à de nos politiques. Nous sommes it ñoom nous ñu anarchie soyez donc plus nombreux vous di gor yi wala yore publier à travers les ondes de notre radio nos cœurs,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 sur la chose publique au Sénégal mu sunu Sénégal gi nga xam ne bu suñu yàlla sàkk soo ubbee l'actualité bi politique bi da ngay ruus ndax da ngay jombi nga xam ne actualité politique bi day abondante ndax day senn di siit ndax day gën a marqué wu duñ xam fan la ñuy commencé ak fan la lay teeral dañuy seet li nga xam ne mënuñu ko ñàkk ba ñoox ñoox ko ndax bu ñu bëggee wax lépp duñ ci génn kon lolou taxna ba nga xamne ñun ñi nga xamne ne ñoo nekk ci CPC li ñu teel daal ñu fexe ba heure rassembler autant de patriotes sénégalais ak sénégalaises autour de idéal commun pour cela nak il faut que ñun ñepp ñu def ci preuve de détermination commune indi ci patriotisme indi ci civisme ku ne indi ci sa xalaat bu rafet ñun ñepp ñu indi ci suñu ténacité ñu indi ci démocratie participative li nga xamne ne moy jeune wu mag la clé de voûte manam la volonté politique de chaque sénégalais et sénégalaise pour que sunu Sénégal gi le phare de la démocratie ndax plein développement économique politique militaire financier am fi ndax sunu Sénégal gi sun soldat si ñu jox leen ay moyens yu takku ndax pays yi nga libre totalement indépendant ñooñu dañ leen di woteel budget yu takku. Nous aar des frontière aérienne et terrestre waaye suñ dëkk bi leneen moo fi nekk te jàngkat bu mag bi ne fi mu Anta nga le visionnaire hors pair figure de proue charismatique emblématique mu nekk le gros calibre homme d'honneur le Camit panafricain moom lu l'Afrique doit opter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 le champ d'expansion des pays développés Waye badolo bi nga xamné mo fi nek nga xamné mu doon wax rupture mom ci ay accord de défense ci la nek ndax accord de défense nit ñi xamuñu li ci nek ndax accord de défense dafa am des clauses secrètes accord de défense ñi nga xamné ne koy dictel Afrique di len bayoné seeni indépendance dañ ci am njariñ ndax dañ koy def pour di làq seeni propre intérêt di làq c'est une élite de pakatu yi ak seen njaboot waaye réew mi taxul ñu def ko kon loolu wax dëgg yàlla il faut que ñu seetaat ko ndax nag wax dëgg yàlla ndimbal da ciy fekk loxo borom te loolu dafa notre combat légitime kon il faut que nous réformions impérativement le régime présidentiel Nous remplacer ko par un régime parlementaire beaucoup plus démocratique beaucoup plus juste leneen lu nu mën def du jariñ dara un coup d'épée dans l'eau il faut que ñu tabaxaat suñu dëkk bi ko un pays dynamique ñu indi des principes démocratiques et des institutions fortes inviolables respectées par l'ensemble des patriotes sénégalais imbus de la fibre d'honneur ndax bonne gouvernance irréprochable am un état de droit boo xam ne le régime parlementaire président de la république day un symbole comme l'Italie l'a fait, comme le régime parlementaire l'a fait. C'est ce dafa nekk bu primordial urgent même il faut que créer les conditions obligatoires pour une véritable gouvernance politique économique saine transparente financière attentive nous servons les seuls intérêts nationaux incessibles euh, euh, légitimes de la nation sénégalaise pour toutes ces raisons il faut que les nga la def de véritables sentinelles sénégalaises impartiales, charismatiques, de manière qu'elle soit en mesure de créer une impulsion dynamique pérenne cela étant il faut que nous cultivions le patriotisme la démocratie la justice sociale l'éthique l'équité l'unité nationale en vie, sécurité en vie, cohésion amphi sans lesquelles dara du xaw pas ñun ñi nga xamné ño nek ci CPC nga xamné une nek ci conscience patriotique pour le changement xam sa réew bëgg sa rew jërëñ ci rew il faut que nous ñu rehausser l'étendard de nos valeurs pour cela nous devons nous inspirer et puiser dans le trésor inestimable de nos valeureux hommes d'honneur yi nga xamné jangkat yu mag lañu ndax dañoo massa nek des hommes d'honneur des soufis yo xamné ñu teud ci suñu dëkk bi ñu enseigner seen xam-xam bu rafet ñu jangalé ko ci suñu université suñu collège suñu daara yi ak ci suñu école primaire ki nga xamné nak nag moom it kenn demul ñu dess muy jàmbaar ju mag ji sunu jàmbaar ju mag ji muy l'homme de la résistance armée muy notre héros national Lat Dior Ngoné Latyr Diop qui combattit farouchement l'armada coloniale pendant 24 ans, malgré la supériorité numérique des envahisseurs actifs et matériels. La ndax la a versé son sang et marqué d'une empreinte digitale toute sa vie a livré des combats acharnés sans merci nga combat face à l'armada du colonialisme repoussant La la notre héros national faut tomber sur le champ de l'honneur les armes à la main à la bataille de Dekele, le jeudi 27 octobre 1886 deux de ses enfants majeurs Tiendela Nyabas, et Nyabas, beaucoup de ses guerriers ils laissèrent ce jour-là leur vie Yalla Amin muy bataille nga historique muy ci Sénégal dans l'histoire du Sénégal n'importe qui ne pouvait pas prétendre le titre de damel ndax pour nga damel il fallait avoir l'esprit du sacrifice et la capacité de résistance intacte nga wara subir des épreuves d'endurance redoutables nga combattre en même temps sur le terrain des hostilités Ouais, tu dis, ci Sénégal y aurait des minables présidentialistes yoo xam ne ñoom ñëpp daanaka dañoo nekk des multimilliardaires par les raccourcis politiques des postes de nomination tànn sa bu de neex te Ga fooy nga xam ne ki nga xam waxam bari na mu la traître en chair et en os nga xam ne cultiver la trahison mu jiitu ci ci ñooñu ñoom ñëpp dañoo nekk ils se réduisent en roitelets pour n'être que des abrutis, farandoles, poltrons, des coulons de pacotille, entre de corps se donnent piteusement la qualité de dirigeants imaginaires. Montre tax su di en arrière de 100 ans De bu nu aussi les gros calibres les gros intellectuels de la trempe de Cheikh Anta Diop ak que sais-je encore ndax borom xam-xam yi bari na fi li nga il faut que nous cultivions le civisme chez les populations Dans le civisme implique le savoir nga xam mo nek le réflexe décent de tout citoyen responsable qui a sa place dans la société ndax le civisme implique le savoir-faire et la civilité lorsqu'il s'agit de la chose publique ndax en tant que citoyen à part entière soo amee et devoir de nga am ay droit Waye Macky Sall moom yaakaar na ay droit la am te loolu ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci CPC lolu musuñu cee and. ndax bokku nañ ci l'avant-garde des consciences yi nga xamné ne dañoo bëgg yé exclusivement nit ñi sur la chose publique ndax ku yoro sa kër kenn do la wax dara waye mëno yoré alalu réew lëmm diko sacc sàcc ku beew mo koy def té na kenn du mo wax dara pour cela nak ci lolu wax dëgg yalla ñu ngi def une vaste campagne de sensibilisation massive bo xamné chaque sénégalais ak sénégalaise fu mu mëna nekk ci àdduna bi dafa wara armé wu de son bulletin de vote

da day weddi kaddom un franc un franc maçon moo koy def té fo fekk un franc maçon ak saay-saay dañ dafa dafa am ginnaaw gu reuy lolou motax maki nek ci lim nek kon il faut que ñu jël yenen matukay ndax pour maki manam le suffrage universaliste du ko ci pouvoir bi kon il faut que ñu utiliser le rapport de force face à ces réfractaires à la démocratie à l'instar des pays qui se tiennent debout et fiers de l'être nous ont décidé d'en finir avec leur tyran ñun masla la résignation nous il faut que nous gagnions nos armes conventionnelles pacifiques pour nous contraindre par la force ndax que comme dictateur de l'issue des scrutins de Pakouti se joue nécessairement dans la cour des voleurs en bande organisée ndax dañuy gis une simple formalité administrative Comme le tardé Sénégal gii échappé échapper vraiment aux contingences mondiales obligatoires spécifiques à chaque peuple pour le moment pour le Sénégal il a son propre destin il opérer une véritable rupture total net ndax notre radio sunuker.com dafa am des qualités exceptionnelles ndax sun radio bu mag bi dafa am une crédibilité par son patriotisme actif ndax sun radio bu mag bi dafa am des qualités exceptionnelles ndax la qualité est avant tout un état d'esprit qui vise à l'excellence yokkute am fi ci jëf ak ci jikko won ko askan wi bu leer nañi te loolu la sunu bi am ak gor yi nga xam ne dañoo mas a nekk les véritables sentinelles sénégalaises qui s'expriment librement en toute logique en toute indépendance et en toute connaissance de cause nous sommes sur des bases voulues ndax ñooy monteli par leur esprit alerte la bassesse et la médiocrité d'une certaine classe politique politicarde plutocrate multimilliardaire des raccourcis politiques les centenaires sénégalais qui s'expriment librement à travers les ondes de notre radio Nous sommes tous les hommes une logique crédible, patriotique, nationaliste bien placée qu'elle distille dans les consciences sénégalaises pour que sunu Sénégal aille de l'avant ndax sunu Sénégal c'est la trajectoire des grandes nations émergentes nga ku notre radio sunu quant à elle historiquement et présentement elle est la référence exemplaire et à la différence d'une certaine servilité à ce de référence s'accommode mécaniquement et hystériquement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 seen i këll di tàllal seen loxo di tuubal sàcckat bi nga xam ne kenn dee bu mu des ndax un fonctionnaire si riche nag n'est pas synonyme de patriotisme te loolu mënta nekk en aucune façon la loi de l'omerta te mënta nekk un sujet tabou encore moins encore moins euh, loo xam ne un secret d'état la loolu wax dëgg yàlla ndax gor yi nekkuñu fa rek di critiquer wala di sànni ay xeer ndax bu su yàlla sàkk gor yi dañuy proposer des solutions concrète pérenne et tangible Nous avons créé créer un véritable Sénégal émergent totalement opposé à celui des menteries inflationnistes fascistes Nous sentinelle sénégalais au bon endroit Nous avons, un amu ci kenn complexe de avons ndax un savoir faire un savoir être un savoir productif actif yoo à un wax faire yàlla kenn mënu koo weddi kon comme nous ma toujours wax ci la répétition est pédagogique chaque sénégalais ak sénégalaise man ta grille de lecture ndax aussi démocratie kon sunu bi nan wax ci le vassal satellite de l'Occident ou le laboratoire des trahisons à ciel ouvert et sa mise en scène sur le sabre sur le sabre d'Elhadji Omar Tal. nga xam occulte le troisième mandat ndax Maki ci loolu la parce que danoo teg ay xar waaye li nga xam comme on dit la nature a horreur du vide loolu qui est le tribaliste bavard faussaire n'est vassal nègre de service de l'Occident, en l'occurrence Macky Sall, par sa platitude manifeste qui lui colle à la peau, s'auto-flagelle dans une hystérie épileptique en se donnant lui-même une prétendue renommée internationale et un prestige de caniveau, mais qui utilise par le verre les mêmes sujets de diversion. Or, qui n'y mouille fait si nous étions vraiment dans un État totalement régalien qui tourne à plein régime, Macky Sall s'éterniserait en prison et à Rebus son Guantanamo pour le reste de sa vie, dans des bénéficier automatiquement d'une destitution immanquable et d'une peine incompressible de 30 ans et des circonstances aggravées pour, pour trahison et perte de ses droits civiques supposés waye Maki, yonom nekuti comme dafa def ay te xamna likoy xaar muy jafandu ci yilif des armes de domination ndax la dong la pour ce faire Makisal pour échapper madame, le naufragé tonnant tribaliste autocrate de la débauche de la tête aux pieds s'autodéclare scandaleusement à la face du monde le cheval de Troie de l'heure et c'est sorti capantes au Mali l'autocrate servile Béni Oui dit l'envoyé spécial colonial attitré en Afrique francophone et accrédité à Dakar Gahamne, par son nombrilisme de la démesure et imbu de sa personne digne de son rang tient à cristalliser les esprits autour de lui se donne de la voix de piètre qualité et fait feu de tout bois, afin d'attirer les projecteurs, notamment la sympathie de ceux qui lui donnent des ordres dans le secret des dieux et de façon souterraine. Curieusement, celui qui foule du pied les règles élémentaires de la démocratie, est le premier droit inaliénable du peuple sénégalais croit sortir la tête de l'eau par son verbatim creux et vide, fait son numéro et occupe par devers la scène politique et ce, à travers les canaux des médias propagandistes interposés des références mondialistes, lesquels paternalistes proclamés faisaient de droit et d'opinion, n'ont de y fermer leurs yeux, nous peindre faussement comme étant l'un des dirigeants les plus influents se charge mécaniquement de relayer en boucle ces inerties démentielles à l'appel et à l'échelle planétaire internationale ma qui Lolo. évidemment lolo tout le peuple sénégalais tout le peuple sénégalais amorphe et criblé d'impôts et de taxes de toutes sortes reste plus que jamais aujourd'hui sous le protectorat colonial et tenu au respect par la puissance des armes de feu. Évidemment, dans ces conditions, Maki dit le potentat, gouverneur en place, au nom de prétendus accords de défense, Maki bénéficie de toutes les logistiques imparables, impose sa loi arbitraire et de la tyrannie. Pendant que, hélas, les pays libres, à contrario, souverains et indépendants, se dressent fièrement debout, la tête haute, contre leurs despotes, tous des guignols corrompus pour les mettre hors d'état de nuire. waaye suñu réew mi fi Bush et motus cousus sur l'impunité d'un troisième mandat totalement illégal et illégitime ouais Macky des lacs ses casseroles parce que y a ne moo fi gën a muus te dañ koy làq ces affidés sont tous tenus en laisse mut mba mot qui ont eu l'épée de Damoclès pour leur grade se taisent tous et respectent à la lettre la loi liberticide éditée par le nulard en place Abdou Kalpe Fokarci ma ki ci loolu la nekk waaye par magie au moment où la case de brûle constamment, le diable pyromane, fidèle à lui-même, dans sa euh, trajectoire totalitaire, se convertit en même temps allègrement en pompier de service, réécrit d'avance le scénario du film comme d'habitude, allume des contre-feux tendant à faire oublier ses forfaits, tient absolument à engranger des dividendes politiques et marquer les esprits candides. je fais partie de ceux qui doutent de la restitution authentique du sabre de la Géomar, célébré en grande pompe par le nègre vassal de service nga xam France lañ ko te mbir buñ ko une bizarrerie mortifère en dit sur un imposteur de grand chemin qui se croit plus futé que nous tous, au point que la présence du Premier ministre français peut servir de paratonnerre pour sauver le référent de l'hydre mafieuse Mouy Macky pour l'imposteur déclaré, le sabre présumé appartenir à Elijah Omar, qui fait l'objet des polémiques, a-t-il donc un caractère éminemment ethnique et politique comme arrière-plan nauséabond bien sûr man loolu la gëm ndax mbir mi bu ko seetloo ba ko ko def analyse rationnelle à l'époque le paradoxe est que semble-t-il les magiciens colonialistes eurent fait eurent fait preuve de prouesse titanesque ñu par hasard par la magie le dit sabre sans qu'ils puissent pour autant mettre la main sur le guerrier redoutable qui disparut dans les falaises de Bandiagara d'autre part si Macky Sall avait une once de courage et de fibres patriotiques, à l'instar d'Israël il ferait mieux d'exiger sans condition des dommages du colonialisme et de la traite négrière européenne, au lieu de nous servir, au lieu de se servir sur un sabre qui, bien des égards, a des connotations bassement politiques de bas étage. S'agissant de notre héros national qui lutta farouchement durant 24 ans sans répit, Mouila Diop, Benga Hamne, de faut lutter contre l'armada coloniale ndax livrer des combats acharnés sans merci La Dior Latir n'a pas eu les mêmes honneurs que les autres guerriers qui prirent les mêmes armes à la main contre les envahisseurs colonialistes étrangers. Une curiosité qui en dit long sur un tribaliste chevronné, lequel a érigé le mausolée de Mabadjahou et participé financièrement à celui de Omar Tal. Qui peut donc parler d'éthique ou d'équité Contrairement aux mensonges cataclysmiques, la le voyant homme d'honneur, l'intrépide, l'éternel résistant, redoutable par les armes, hors pair de classe exceptionnel de toute l'histoire du Sénégal, fut le général de premier plan de Mabadjahou lors de la bataille de Somme. Vous voyons la bataille du Rip ñu défendons, le 30 novembre 1865 dans laquelle l'Almami Mabadjahou mourut en juillet 1867 nga à cette bataille historique beaucoup d'officiers supérieurs militaires français y laissèrent leur vie y compris des médecins dont le capitaine Canard qui fut poignardé par notre héros national Ladjor Ngone Ngoné Diop à l'époque malgré leur puissance de feu nous, dañoo tant que Ladjor Ngone Ngoné Diop vit encore reconnurent ils n'être pas en sécurité Maintenant, tant que Lat Dior mi ngi sécurité je me passerai naturellement des autres victoires éclatantes de notre héros national, dont la bravoure est sans égale dans l'échiquier des, combats, des, combattants armés Le kat moo fi l'escroc l'escroc minable digne de son rang ne s'arrête pas là veut y trouver à tout prix son propre compte a voulu faire en même temps une paire de coups notamment la soi-disant lutte contre le djihadisme invisible dans le ciel sénégalais qui est totalement dégagé de toute terreur. Il y a le visible contre l'invisible. Macky ci aussi extraordinaire que cela puisse paraître le salvalet nègre de service et ses alliés médiatico-politiques mettent exclusivement le curseur sur la prétendue, sur la prétendue thématique terroriste qui se trouve du côté atlantique, occulte sciemment le troisième mandat bancal illégal du kleptocrate né de Kobandoum, en l'occurrence Macky Sall. Madame, ce dont je ne cesse de répéter tout le temps est que le traître autocrate en et en os cale sac ses propres intérêts mal placés à ceux de ses maîtres locaux d'armes nga xamné ci ñooñu commandé régulièrement et abondamment du matériel de répression nga xamné par un oui pour un non autrement dit où a-t-on vu dans le monde des lobbies militaro-industriels Nous dénoncer à la place publique à presse interposée ses clients c'est un non-sens au contraire, dañ leen encensé massivement de façon démesurée moom je suis defal Macky Sall Tay. nga xam ne ñi koy défal mooy ñi nga xam ne dëkkuñu ci réew mi amuñu fi bajjan te xamuñu lu xew seeni propre intérêt donc lay défendre idéologie lay défendre nous avons donc affaire à un comploteur traître qui ne cesse d'être en intelligence avec ce qui nous opprime en permanence point n'est besoin d'ergoter sur la question qui fâche Vous voyez, partout où pousse en abondance des régimes fantoches li nga toute la logistique toute la logistique il n'y a point de progrès pour dictateur vous mu progrès de forme Voyez, li la misère sociale chronique et la désolation et les guerres même s'il y a du pétrole et gaz les choses ne s'arrange pas non plus. Au contraire, la pandémie s'aggrave. Le Sénégal est un cas d'école parmi tant d'autres. Les jeunes, les plus valides, prennent le large, bravent les terres et les mers, affrontent le requin et au péril de leur vie, croyant trouver le mirage d'un Eldorado imaginaire, sont décriés, déclarés persona non grata en Europe qui ferme ses frontières en se barricadant fortement Le kat de fi Madame, à chaque époque les sémantiques de la surenchère mutent telle une peau de chagrin pour prolonger le colonialisme soft sur le terrain du crime Madame, Birmi mi c'est ko tout sert de prétexte savamment élaboré dont le but inavoué consiste à faire les élites de Pacoti, au précaré colonial comme il ne sert à rien de fabriquer des quantités industrielles des armes si elle ne trouve pas d'accueil de Maki, bokk ci clients cultive la trahison et l'un des clients privilégiés alors que Dundubi pourquoi et à quelle fin Les nga depuis la mort du colonel Kadhafi et de Saddam Hussein les djihadistes lourdement armés on ne sait par quel miracle il n'y a nulle part de sécurité ni en Afrique ni au Moyen-Orient ni ailleurs comme si ces derniers sont des extraterrestres où passent donc ces, ces djihadistes sans qu'on les voie où sont les radars et les satellites qui pullulent partout, notamment à l'échelle continentale africaine. xanaa gumba Waye, li nga Macky Macky veut il créer les conditions obligatoires apocalyptiques et la psychose permanente pour rester au pouvoir tant qu'il le désire Madame Birmi derrière la com de piètre qualité des mensonges cousus de fil blanc se cachent en filigrane un calendrier électoral illégal et illégitime d'un vagabond qui a des, longues dents Nda, qui 2012 ba sans trêve j'ai toujours attiré l'attention des Sénégalais et des Sénégalaises sur les intentions malveillantes du caniche de l'Occident le pantin satellite ou la bourrique bougre négresse de service la plus chuchotée de l'escarcelle des élites payassonnes, à l'échelle continentale francophone nga xamné ñom équité ni éthique nga xamné une équité euh, ne tient que sur une crête nga xamné ci des manœuvres confiscatoires à la démocratie et aux libertés fondamentales de conscience est-ce donc un hasard Au moment où le vassal cerné de toutes parts et empêtré dans ses contradictions les plus criardes, en particulier le troisième mandat illégal que le Premier ministre français se trouve au Sénégal. L'autre question que vous poser. Est-ce donc pour sauver nos soldats de la France-Afrique de naufragés par ces rivières de scandale Yohanné xamné voyez, bizarrement ce qui le paraît Morducus ne cherche que leurs propres intérêts mercantilistes, économiques, financiers et au nom de la géopolitique de la sous-région. waaye se garde bien d'empiper un seul mot sur son mandat bancal illégal qui est par définition synonyme de trahison et de blasphème Vous voyez, comme toujours le terroriste en chair et en os le traître himself, tente une fois de plus de faire un raccourci en s'appuyant sur la thématique présumée terroriste au Sénégal. Et ce, pour croire évacuer en un quart de tour son troisième mandat illégal, juridiquement, politiquement et cliniquement. alors que son Sénégal est dégagé de toute terreur Waouh Sénégal terrorisme ferme comme soyons vigilants et sur nos gardes nous ne le souhaitons pas toutefois par malheur qu'il y aurait eu du terrorisme le lamentable asservi Macky Sall serait considéré automatiquement comme l'unique coupable responsable désigné maa en Afrique des traîtres le poste de président de la République rime avec impunité. C'est bien le cas Macky Sall, le faussaire désarticulé, le personnage curieux étonnant, tonnant même, qui a un prisme machiavélique de la démesure. nga ne la mesure d'un monstre atypique cynique dévergondé se distingue de plus en plus par l'amplitude de ses reniements et ses renoncements n'a jamais respecté d'un pan ce à quoi il a été élu en 2012 à défaut et par dépit dans des conditions totalement exceptionnelles, inédites. Dire que nous avons affaire à un lamentable traître relève d'un euphémisme. Un tel menteur professionnel, profanateur mécréant, franc-maçon de son espèce, n'a jamais eu l'étoffe d'un dirigeant émérite pouvoir et immunité du président monarque sont source d'impunité. Donc, crime le imprescriptible. Voyez, la constitution moribonde qui accorde des prérogatives illimitées au président monarque imprime sa marque totalitaire. Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Un maçon grossier contre le pouvoir du peuple par le peuple qu'on relègue au second plan. La prétendue constitution étrange, étrangère n'a jamais reçu ni de près ni de loin la moindre approbation généralisée des Sénégalais et des Sénégalaises par voie référendaire populaire acceptée. L'illégalité devient un label, un label au Sénégal. Lolo là, lolo Maxal def, tout se tient en politique. Comme sous le prétexte fallacieux d'éviter l'instabilité politique, la constitution moribonde autorise l'immunité du président monarque qui est source d'impunité par définition. En vérité, la, prétendue constitution bancale telle qu'elle est établie chez nous, malgré les soi-disant corps dits institutionnels, n'ont qu'une existence virtuelle, demeure plus que jamais les jouets deux monarques nga xamné exclut tout contrôle Bo xamné ne koy def lañ ko defal déraper abuser dangereusement de ses supposées prérogatives agit sans scrupule ni vergogne piétine allègrement s'autorise tout et prend unilatéralement des décisions impopulaires sachant qu'il est couvert sur tout ndax dafa nekk à l'abri de toute menace de toute procédure judiciaire peu ou prou puisque aucune ligne Maginot n'est dressée contre lui duñ ko opérer waaye nag day opérer en toute impunité et à ciel ouvert ndax nana cure aucun risque minime soit-il il est couvert par euh, la loi autoritaire c'est-à-dire l'immunité présidentialiste comme Maki, mi nga xam mo wax effort troisième mandat c'est fini pour lui waye li nga le même homme Manam, day agir comme une jouette, interdit à son bazar d'en piper un mot leur met l'épée de Damoclès ceux de son clan qui bravent l'interdit Manam, sa loi tyrannique sont isaïe et lagués et traîner dans la boue comme des malfrats nga xam en auront pour le grade moo tax ñu noppi te loolu moo xew ci Afrique noppi ñu jënd la te mu wax ci dëkk digg dëkk bi moo suñu Sénégal gi tardé kon li ñuy mujje nan ko jëkke en Afrique tous les larbins ay despotes satellites lañu à l'échelle continentale continentale africaine en particulier les nègres de service ñoom ñëpp dañoo arrimé wu sur le précaré coloniale partagent la même veine que cette culture de la trahison. ils ont en commun une conception étrange sur le pouvoir et la démocratie notamment la liberté d'expression parce que dañuy gis qu'un un fonds de commerce sur lesquels qu'il ont surfé pour trouver ces bouée de sauvetage de piètre qualité et ce sur commande recommandée des prétendus accords de défense nga xam dont l'objectif majeur ne vise qu'à saper et baïonner durablement autant que nécessaire la dépendance dynamique, les indépendances formelles de l'escarcelle des pays francophones soumis vis-à-vis de, euh, l'ancien maître colonial, qui reste plus que jamais le tout-puissant en Afrique des fantoches. Madame, dans la pègre unifiée des nègres de service alignés par la gendarme coloniale, la notion erronée d'immunité présumée universaliste de l'heure tel que nous ko nous ndax dañ savamment au nom du prétendu accord de euh, euh, euh, du prétendu droit international Vous li nga xam ne ci nekk les régimes présidentiels fantoches autoritaires par définition buñ ko seetloo ba seetlu ko maanaam dafay que une résurgence monarchique soft nga xamné France ci loolu la nekkoon nga xamné fi le droit international ñi nga xamné ne ñoo ko def ñoo ciy gagné te baadoolo yi foofu la ñuy surfer kon tout se tient en politique te dama bindoon un article ci 2012 maquisalisation des esprits ou satellisation des esprits écrivais en 2012 waye li nga xamné mo ci un dangereux homme de la décadence nga xamné et la débauche nga xamné mu changé constamment son fusil d'épaule, a été pris à maintes reprises, plus d'une fois, la main dans le sac. Est-il respectable au regard de la morale Certainement pas. Nous avons affaire à un mécréant, menteur professionnel, profanateur, franc-maçon dans l'âme. Car il s'agit bien de cela, puisque sa parole n'a jamais valu un sou. Il est imprévisible, pathologiquement, par nature, atteint c'est un chauffard qui signale à gauche et tourne à droite Madame, autrement dit duplicité d'un médiocre vagabond machiavel satanique et ses discours lapidaires inflationnistes contradictoires et dont l'odeur de ses paroles dédites nous renseigne sur une boule puante Madame, la loi d'un monstre pareil ne peut être ni une offense ni un blasphème encore moins un secret d'État peu ou prou Quand vous gagnez, maa ngi leen rendez-vous ci suñu waxtaan wi ñu tuddee xew-xew réew mi ñu koy defal mardi prochain Inch'Allah, à travers les ondes de notre radio suñu FM la première radio panafricaine qui est Los Angeles mu une radio exceptionnelle bu mag bi de renommée internationale Dérivez-vous?